Bon, je m'appelle Leifa Toukarate. Euh, je suis la présidente des jeunes filles du mouvement Force Avenir. Justement, euh, le mouvement Force Avenir aujourd'hui, quelle est l'implication des jeunes filles dans ce mouvement pour le développement de Bambilor euh, Bon, vous savez tous que nous, bon, c'est le développement de Bambilor bon, euh, qui est notre objectif et euh, nous voulons tous le développement de Bambilor. Raison pour laquelle nous, les jeunes filles, on doit aider bon, nos hommes ou bien euh, nos frères pour le développement de cette localité. Parce que bon, c'est notre localité, nous les femmes et les hommes. Et sans les femmes, bon, je crois que bon, rien ne va marcher. Raison pour laquelle bon, on est dedans avec nos frères. Qu'est-ce que vous avez eu à faire en termes d'action concrètement les jeunes filles, dans son groupe euh, Bon, euh, en particulièrement, bon, on fait euh, des... bon, je peux dire qu'on a formé un groupe pour faire des développements entre, entre, et entre filles ou bien de faire bon, des bourses comme les élèves et les étudiants qui sont dans cette localité et on fait des, aides en travers nos, nos petites sœurs vu que bon, parfois il y a problème avec eux, avec euh, l'école et avec euh, leur euh, formation. Raison pour laquelle bon, nous les filles, on on on est ici pour pour leur aider parce que bon, il y a trop de problèmes à travers les filles. Donc c'est c'est nous qui qui pouvons leur leur aider parce que bon. C'est pas facile. c'est pas facile du tout. Et puisqu'on a des parités, euh, donc on doit faire comme les hommes. Euh, parce que, bon, euh, sans la femme dans la société, bon, je peux dire que, bon, <laughs> ouais, rien ne marche. votre mouvement est apolitique Bon, on peut dire, on peut dire, bon, c'est apolitique parce que bon, on a formé cette, euh, cette mouvement euh, rien que pour euh, nous entre-aider, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, on dépend de personne, mais on n'a pas, on ne va pas du tout refuser les aides peut-être comme le, le, maire ou bien comme les autres responsables politiques. Ouais, mais c'est apolitique toutes les jeunes filles de ou de Bambulor de façon globale sont aujourd'hui justement derrière ce mouvement parce qu'on voit des fois qu'elles ne sont pas intéressées parfois par la politique. Est-ce qu'elles sont tous, elles sont justement les jeunes filles de Ndassam sont derrière justement ce mouvement pour le, avec euh, le président surtout oui, euh, on est ici nous tous, mais euh, vu qu'aujourd'hui on a une amie qui, qui, célèbre aujourd'hui son mariage, raison pour laquelle ils ne sont pas bon réunis ici, mais bon c'est large, cette, mouvement parce que bon, il y a trop de trop de jeunes filles qui sont ici, mais vu que euh, avec bon cette euh, je peux dire ouais, cette cérémonie raison pour laquelle euh, elles n'ont pas pu assister. Quelle appel pensez-vous pour finir justement aux autres jeunes filles devenir raison de le mouvement Force à venir, c'est ça Bon bon, je peux dire que ils peuvent venir parce que bon euh, c'est intéressant. Le fait qu'on t'aide, le fait qu'on te, te, guide euh, de façon... Euh, bon, je ne sais pas comment dire le mot, mais bon, c'est trop intéressant. parce que bon, il y a trop de choses qu'on peut faire et il y a trop de choses qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut aider en tant que les jeunes filles parce que bon c'est dur d'avoir euh, un travail parce que à chaque fois on dit que bon la place de la femme est au foyer alors que bon moi je dis non parce qu'une femme doit être indépendante une femme doit euh, doit avoir des objectifs dans euh, dans sa vie et, et ces objectifs elles doivent les les atteindre donc bon avec cette mouvement bon ça va te pousser à ce que tu vas atteindre les objectifs et tout. Donc c'est intéressant de, venir. Ouais. maa ngi tudd Ndeye Fatou Diakhaté mais mun naa ne ñëpp mami bi lañ xam euh, comme ni ngeen ko gisee euh, mouvement bi dañ ko def mouvement boo xamante ne bon bàyyiwuñ ci kenn képp ki nga xamante ne rek jeune nga nga nekk ci Ndiassane wala nga nekk ci Bambilor ñoo ngi la ci woo parce que euh, développement Bambilor moo ñu ñor développement localité bi moo ñu ñor parce que leneen lu dul loolu ñoruñu te gis nañ ni que bon ci mouvement bi ñoo ngi jàppalante. te daal mooy loolu. lan euh, bon li ñu a def bëri na parce que ñoo ngi nekk di jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu euh, ay rakk. am ñoo xamante ne tamit sunu ay morom lañ que sunu ay mag lañ yi nga xamante ay étudiants lañ ay étudiantes du moins ak ay élèves yoo xamante ne bon dañuy manqué yenn yi nga xamante ne dañ koy soxla ci école bi ñoo ngi leen ci jàppale ak yenn yi nga xamante ne dañ koy soxla ci seen centre de formation euh, li ci mel nii bon parce que euh, ñu ci bëri jànguñu donc ku nekk dañuy xool ci li nga yëngu ñu jàppale la ci loolu waaw.

bon dafa war a salte parce que nit ki euh, boo defee li nga war a def rek jàpp naa ni bon leneen du ci laxasu comme lu ñaaw wala lu salte parce que il suffit que nga am sa fulla ak sa bopp ak gëm-gëm ci li ngay def am pas-pas da ngay dem parce que euh, lii dañ ko def pour euh, gën a mën a xamante gën a mën a jàppalante parce que tey ñu bëri wax nañu jóge Bambilor war a jàngi université Dakar wala Thiès wala feneen ak feneen ak mouvement bi dañ lay jàppale ci bu baax nga école nga wax bon jugee euh, élémentaire wala dem bon secondaire wala wala dem lycée et tout dañ ci jappalé ak yenen ak yenen yo xamante dang qui se koy soxla ci sa vie comme sa formation ya xam loy def ba xam da ngay def coiffure wala da ngay def euh, teinture yow yaay xol li nga bëgg def mouvement de la ci jappalé donc c'est intéressant que euh, yenen jigéen yi nga xamante bon elles ne sont pas intéressées ñu ñëw parce que bon am solo te def lay tu ci lu bëri. wa wa surtout surtout parce que bon euh, man munu ma gëm ni que bon jigen la dama wara sey ji tok gérer sama ménage non non da nga wara a ñak parce que tay ji yow mi jigen yow ya wara mëna jappalé sa bop avant tout d'abord yow ya wara mëna jappalé say rak jappalé ñi nga xamantene ñoy say parents parce que je ne peux pas euh, euh concevoir naka ngay toogee di nangu goor mu lay yoré Hein? y aurait ses parents et tout non non mais à chaque fois suis wax Je da nga Je indépendante Je suis nga Je suis am Je suis fayda Je suis dépendre Je suis Je suis indépendante. Je suis indépendante. Je suis mais Je suis Je suis indépendante. Je suis Je suis indépendante. Je suis nga Je suis indépendante. Je suis pap Je suis parce que indépendante. Je bon indépendante. Je suis parce que marché fu nekk donc lan moo tax ñeneen ñi di toog di nangoo bañ a bañ bañ bañ a lii bañ a liggéey sëy neex la dëgg la neex na lool mais ay photo ki raxas yooyu nit ñi dañ ko dépassé léegi ku nekk da nga war a ñafe ku nekk da nga war a toog am loo

am lu ñu bëgg sunu bopp te jéem a def la tout ba objectif yow ñu jëm ko atteindre.